auditeurs et auditrices de Niger sur Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. C'est vendredi 2, vendredi 2 février 2024 à la présentation. Je suis Salamatou Kadri et avec moi Ali Munkela Ousseini dit Seno. Bonjour Seno. Bonjour Salamatou. Prête pour euh, le week-end Évidemment, mais d'abord savourant cette heure avec nos auditeurs. Au programme, une bonne dose de musique nigérienne comme d'hab. Et c'est ce n'est pas et c'est pour le plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute de l'information il y en aura dans cette émission. D'abord le flash présenté par Mokhtar Hamadou, ensuite la revue de presse avec Rafika Atar, les chroniques Lotti avec les femmes du studio Kalangou et la page sport seront au rendez-vous. Et Oui, ce matin, notre invité du jour est Yatara Daouda Souley, étudiant à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous allons évoquer avec lui l'entrepreneuriat agricole au Niger. On fait aussi un coucou à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui assure pour la diffusion de cette émission. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, attachez vos cendres. prêts pour le décollage. C'est parti. Rebonjour, chers auditeurs. Voici le flash présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour, Mokhtar. Bonjour Ali Moukele Ousseni, bonjour Salamatou, le flash d'information à présent. Le Premier ministre nigérien Mahaman Ali Laminzen séjourne en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Une visite de travail à Ankara de quatre jours qui s'achève demain 3 février 2024 au cours des entretiens hier tous les aspects des relations bilatérales entre les deux pays ont été abordés. Les mesures qui pourraient améliorer la coopération seront discutées ainsi que les questions régionales et mondiales actuelles, a indiqué le site de la présidence de la République de Turquie. Dans un communiqué publié hier, le chef de la diplomatie nigérienne, Bakari Yahou Sangare, a exprimé sa surprise quant au déni de réalité et du droit international des autorités du Nigeria. Elle refuserait d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer de la CDAO le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur réaffirme l'attachement du Niger au respect des règles du droit international ainsi que sa volonté d'entretenir des relations sincères d'amitié et de coopération avec tous les pays et des peuples épris de paix et de justice, poursuit le communiqué. Deux coffres forts contenant 55 millions de francs CFA ont disparu du service financier du rectorat de l'université de d'Ottawa, selon une source sécuritaire citée par l'agence nigérienne de presse ANP. Un gardien de cette institution serait impliqué dans cette affaire. Il aurait pris la fuite lors de l'enquête ouverte à cet effet. L'intéressé est activement recherché par la police d'Ottawa. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 2 février 2024. Merci beaucoup, Mokhtar. Merci infiniment, Mokhtar, pour euh, toutes ces informations. Cher euh, chers auditeurs, notre invité du jour est Yatara Daouda Souley. Il est étudiant en deuxième année de master à la faculté d'agronomie de l'université Abdoumoun de Niamey. Bonjour, euh, Yatara. Eh, bonjour, Seno. Avec vous, nous aborderons les questions de l'entrepreneuriat dans l'agriculture au Niger. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partons en musique avec le feu Tou Dante dit Nyazongo avec euh, ce morceau intitulé Keyesi, bonne fête en langue zarma. Dans cette belle chanson que vous avez, que vous allez écouter, Nyazongo souhaite bonne fête à la communauté musulmane lors des fêtes de Tabaski et de Ramadan. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre euh, Keyesi que vous venez d'écouter, chanté par euh, euh, le feu euh, voilà, Dante Di Zongo. Retour au studio après cette euh, pause musicale. Nous sommes avec Yatara Daouda Souley. Il est étudiant en deuxième année hein, de master à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Alors, rebonjour Yatara. Euh, bonjour Seno. Alors, euh, pour commencer, euh, dites-nous quelle place occupe euh, l'agriculture au Niger Voilà, merci d'abord. Avant d'entrer dans le but du sujet, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. vraiment, nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse nigérienne, y compris au niveau de l'université Aboumoun de Niamey et aussi dans les pays en, général. la, place que l'occupe l'agriculture au Niger, c'est une place très capitale, c'est une place importante. Euh, puisqu'il faut les dire que plus de 80, plus de 80% de la population nigérienne vit dans le monde rural et que leur activité de base, c'est l'agriculture. Et ah. donc, ce qui donne à l'agriculture une place prépondérante et une place de choix dans la vie de la population nigérienne. Et maintenant, comment appréciez-vous l'implication des jeunes dans le domaine agricole euh, Voilà, euh, l'implication des jeunes dans le domaine agricole, c'est une chose qui est très importante. Euh, puisque l'avenir de tout un pays repose sur sa jeunesse. Et si on voit que la jeunesse, déjà, s'en n'a qu'à part de l'agriculture, hmm. cela veut dire que l'avenir de l'agriculture dans le pays est assuré, puisqu'elle se porte sur les jeunes, et on sait que les jeunes, c'est l'énergie d'un pays toute l'activité que c'est les jeunes qui l'appliquent est vraiment elle est, vouée à la, réussite. D'accord. Alors, euh, est-ce que selon vous, euh, la jeunesse s'intéresse assez aux filières agricoles ah, bon, euh, ça vraiment, je ne suis pas tellement, je suis pas totalement sûr, mais ce que qui est sûr est que vraiment la jeunesse nigérienne, vraiment, elle a d'autres préoccupations. Et c'est quoi cette préoccupation la, loisivité. La loisivité. Cela veut dire que vraiment les gens préfèrent aller dans les fadas, prendre du thé, prendre du chicha, parler de tout et de rien, au lieu de donner leur temps à des préoccupations très importantes qui définiront leur avenir peut-être. Et maintenant, quel est l'avantage pour un pays quand cette tranche de la population s'implique dans l'agriculture euh, Comme je le disais tantôt, lorsque la jeunesse euh, s'implique euh, dans une activité, c'est vraiment important puisque c'est dans la jeunesse qu'on peut tout préparer. Lorsque vous êtes jeune, vous avez le temps de vous former, vous avez le temps eh, de passer la moitié de votre temps à vraiment dans la chose que vous aimez. Et je crois bien que c'est vraiment c'est l'avenir, la jeunesse et l'avenir d'un pays. Et toute activité qui se repose sur la, sur la jeunesse, c'est vraiment elle vouée à la réussite. Ok. Alors, euh, quelle est l'importance, selon vous, euh, d'innover dans le domaine agricole Est-ce que, selon vous, euh, on suit l'actualité dans le domaine agricole euh, bon, effectivement, avec euh, les, vraiment, on, on bat tant bien que mal quand même euh, dans les domaines, puisqu'il y a beaucoup de formations qui sont en cours, il y l'intervention des, ONG et des partenaires techniques mhm. qui suivent des fois les agriculteurs sur les terrains et pour les aider à vraiment à atteindre leurs objectifs. Et maintenant, peut-on prétendre un jour à une souveraineté alimentaire et si nous nous impliquons davantage dans l'agriculture Effectivement, eh, dans la vie quand même, eh, rien n'est impossible. pourquoi si d'autres pays ont pu l'atteindre et pourquoi pas nous hmm. eh, Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons, nous pouvons l'atteindre. Mais peut-être le chemin est tellement, loin, puisque parce que vraiment, c'est des niveaux et que vraiment jusque-là, on n'est même pas au stade de l'autosuffisance alimentaire. Hmm. En plus, faut parler de la sécurité alimentaire et aussi parler de la souveraineté alimentaire. Donc vraiment, c'est le haut du niveau, quoi. Cela veut dire que lorsque un pays a atteint le, le stade de la souveraineté alimentaire, hmm. les pays viennent rien à personne. Eh, mais qu'est-ce qui bloque cela, selon vous Bon, selon moi, plusieurs de choses, plusieurs choses bloquent cela. Hmm. y compris d'abord, on a les conditions climatiques D'abord que nous ne sommes pas tellement favorables à l'agriculture. Il y a aussi la politique, la politique impliquée dans les domaines agricoles et surtout la politique agricole. Hmm. Puisque j'ai en souvenir un euh, dans ma localité, à Balayara, et dans le cadre du projet 3N des Nigériens, on a amené les producteurs à produire massivement et maintenant pour écouler même leur production, c'est tout un calvaire des gens sont, sont dans l'obligation des fois d'abandonner leur production mm. juste pour se décharger. Et donc, euh, je crois bien que tout ça, là, il, faut, il nous faut des politiques sérieuses mm. qui vont nous permettre à, lorsque vous amenez quelqu'un à produire quelque chose, donc il faut aussi créer les conditions pour lui de pouvoir le couler. Mm. cest ce qu'on appelle les marchés. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, on entend que les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat agricole. De quoi s'agit-il au fait Bon, euh, l'entrepreneuriat agricole, c'est juste quelqu'un qui veut vraiment euh, investir, qui veut se donner dans les domaines, dans les domaines agricoles. Et l'entrepreneuriat agricole, ça, c'est, ça, plusieurs, avec plusieurs échelons. Euh, vous pouvez être un producteur, vous pouvez être un commerçant, vous pouvez être un transformateur. Il y a plusieurs opportunités dans les domaines agricoles. C'est-à-dire que c'est un terrain très riche et vaste et que tout le monde peut trouver, peut son compte. D'accord, merci chers auditeurs. Avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler et continuer avec Rafika Atel qui est déjà avec, qui est déjà avec nous pour la revue de presse. Bonjour Rafika. Bonjour Salamatou. L'actualité, c'est le retrait des pays de l'AES de la CDAO. Titre le journal hebdomadaire Le Républicain dans sa parution du 1er février 2024. En effet, Salamatou, le général de brigade d'Abdraman Tiani, président du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta du Mali ont décidé du retrait de leur pays de la CDAO le 28 janvier dernier. Les États de l'AES dénoncent l'éloignement de l'organisation régionale des idéaux e de ses pères fondateurs et du panafricanisme. L'enquêteur, à son tour, dans sa parution d'hier, pense plutôt à une manœuvre pour le maintien au pouvoir de l'agente militaire dans ces trois pays. Selon ce journal, le retrait de l'AES de la CDAO pourrait dissimuler en réalité des jeux de pouvoirs internes. Les régimes militaires putschistes semblent chercher à s'affranchir des contraintes démocratiques imposées par la CDAO pour se maintenir au pouvoir à l'hebdomadaire gouvernemental Le Sahel d'ajouter que quant aux autorités du Nigeria, dans un communiqué en date du 29 janvier 2024, refuse d'admettre pour le Niger de se retirer de la CDAO. Des propos impertinents selon le gouvernement nigérien et rejetés avec sérénité. Rafika, le ministre de l'Intérieur met en place euh, un comité ad hoc de gestion de l'association journal hebdomadaire Le Républicain sorti du 1er février 2024. Oui, c'est non, le ministre chef chargé de l'Intérieur a publié mercredi 31 janvier 2024 un arrêté portant suspension de l'exercice accordé à la maison de la presse jusqu'à nouvel ordre. Il a mis en place un comité ad hoc de gestion de l'association jusqu'à la mise en place d'un nouveau bureau provisoire. Cette révocation intervient après la lettre envoyée le 29 décembre 2023 par le ministre en charge de la communication portant abrogation du conseil d'administration et du bureau de la maison de la presse au ministère. Selon le journal La Ligne Actu Niger, dans un communiqué publié mercredi 31 janvier 2024, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel a salué la décision du gouvernement relativement à la, à la décision de suspension. Le syndicat a saisi l'occasion pour dénoncer les traitements dégradants et injustes auxquels font face les professionnels des médias privés du Niger avant de fustiger le comportement peu orthodoxe des anciens membres du conseil d'administration de la maison de la presse. Selon lui, au lieu de s'intéresser aux conditions de vie et de travail des professionnels des médias au Niger, se sont plutôt intéressés à des prises de position politique comme en atteste la participation de certains de ses membres à la manifestation du 26 juillet pour réclamer le rétablissement du président déchu. Rafika Khan Côte d'Ivoire 2023, le Nigeria grand favori titre le Hérisson dans son édition du 1er février 2024. Effectivement, avec l'élimination des représentants du Maghreb, le Maroc et l'Égypte, du Cameroun et du Sénégal en huitième de finale, le Nigeria devient le grand favori de la Cannes. Au fil de la compétition, il monte en puissance, de même que les éléphants de la Côte d'Ivoire qui sont passés in extremis au second tour par repêchage. En quart de finale, ils rencontreront le Mali, un derby qui s'annonce houleux. Dans la suite, il faut compter également les Bafana Bafana de retour dans la cour des grands, mais aussi le départ les léopards de la République démocratique du Congo. Voilà pour cette revue de presse de ce vendredi. Merci beaucoup Rafika, chers auditeurs. C'était là la revue de la presse présentée par Rafika Atar. Chers auditeurs, à présent, poursuivons notre émission avec notre invité du jour, Yatara Dauda Souley. Il est étudiant en deuxième année de master à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Monsieur Yatara, quels sont les défis actuels auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs agricoles au Niger euh, Voilà, merci. les défis sont énormes. Et d'ailleurs, comme moi, j'ai eu à les faire, donc je vais me baser sur une expérience personnelle pour pouvoir me prononcer. D'accord. Et donc, euh, étant donné qu'il y avait, lorsque nous étions en deuxième année de licence, on avait suspendu la question académique. Et on était au village là-bas, on a trouvé des, jeunes et la famille en train de travailler les champs, euh, les jardins. Et que nous, nous avons décidé de nous, de nous investir. mais quand même, les, les réponses de la société ont été sévères envers nous. Parce qu'elle pensaient que quelqu'un qui a fait l'université ne doit pas venir se mettre la patte pour, pour, pour travailler, gagner à la serre de son front. donc tout ça, là, il y a aussi le, problème de la, de la société, quoi des fois, si on, se voit déjà en tant qu'un étudiant ou bien en tant que en tant qu'un étudiant, on pense que on peut pas on pense qu'on ne peut pas venir à, on ne peut pas venir se mêler de certaines activités. Or que vraiment le plus important dans la vie, que vraiment c'est de gagner son pain et quel que soit si quel que soit si tu sois étudiant, tu sois fonctionnel, l'entrepreneuriat est pour tout le monde l'entrepreneuriat vous pouvez vous lancer. Donc il y a un problème de la société. Vraiment, des fois, la société n'encourage pas ceux qui ont fait des grands diplômes, des grandes études, de venir vraiment s'investir dans certaines choses. Alors que donc tout ça là, il fallait travailler la conscience de la population, il fallait réformer les gens, que vraiment que ça là, ça n'a aucun effet. D'ailleurs, même c'est ceux qui ont, d'ailleurs, l'agriculture, elle est faite pour ceux qui ont un diplôme de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est une science. Et pour être, pour s'exercer dans un domaine de sciences, vraiment, il faut, il faut des études poussées dans ces domaines-là. D'accord. Alors, euh, euh, quels sont, euh, bien évidemment, comment euh, votre formation, parce que vous parlez bien évidemment de la formation, il faut avoir quelques bagages intellectuels avant de s'investir dans l'agriculture, selon vous. Alors, dites-nous comment votre formation en agronomie influence-t-elle votre approche en tant que futur entrepreneur agricole Effectivement, dans la faculté, en dehors, lorsque, en des cycles de la licence, lorsque vous serez en master, le master 1 est général, mm. donc on va vous faire un, le briefing de, tout ce que vous avez, c'est un, bref résumé. Et maintenant, vous serez orienté dans votre, dans votre département. Et moi, mon département, c'est le, le, département d'économie rurale. Et l'économie rurale qui parle d'économie euh, parle, parle aussi d'entrepreneuriat. Mm. Parce que c'est là-bas, on a des modèles. Vraiment, c'est le département le plus approprié, en tout cas à la faculté d'agronomie, mm. si vous voulez vous investir dans les de l'entrepreneuriat parce que économie rurale, je pense que c'est plus euh, scientifique. Est-ce que vous pouvez développer un peu pour que nos auditeurs puissent euh, aussi comprendre concrètement de quoi il s'agit Bon, voilà, euh, l'économie rurale, là-bas, on forme des, gestionnaires. Des gestionnaires, des dans le monde, dans monde rural. Dans le, monde rural, c'est là vous pouvez être. Par exemple Par exemple, vous pouvez être un agent d'un projet, mhm. vous pouvez piloter un projet, vous pouvez être le coordinateur, le coordinateur d'un projet, mhm. et aussi vous pouvez là-bas voir certaines opportunités et, vous engager dans, ces domaines-là. Donc il y a toute une, batterie de formations mhm. qui vous permettent de vraiment d'être un bon gestionnaire. On vous donne les prérequis et de pouvoir vraiment identifier les opportunités, de pouvoir les saisir et de les conduire bout à bout jusqu'à jusqu'à d'un un objectif bien défini. D'accord. Et maintenant, quel type de projet agricole avez-vous déjà entrepris ou envisagez-vous de lancer à l'avenir Voilà, euh, là, le projet que déjà, j'ai déjà, que j'ai déjà effectué, c'est les cultures mhm. oh, on a, à un moment donné, on a décidé de produire du moringa. Moringa, Oui, du moringa. Étant donné qu'on a vu que vraiment que ça est en train de donner, on a décidé vraiment d'élargir ça. C'était auparavant c'était un petit périmètre qu'on a utilisé pour une expérimentation. Et lorsqu'on avait pris goût, on a vu que c'est important et on a décidé de se lancer. Après, avec d'autres parcelles, on a fait la culture de la tomate. Et là aussi, vraiment, on a vu que c'est vraiment c'est un domaine qui donne et qu'on a décidé de se lancer. Maintenant, notre projet de l'avenir, c'est de vraiment que un jour que nous puissions être vraiment un, baobab dans les domaines. <laughs> C'est-à-dire que être un consultant, et même être un consultant dans les domaines, est vraiment donné pour, que notre, pour aider notre pays. Hmm. Parce que c'est ça le plus important. Le pays a déjà fait beaucoup, déjà pour nous, depuis l'école primaire, au lycée, on aujourd'hui on est à l'université, tout ça dans le compte. Tout ça dans le compte, dans le compte du public. Et hmm. donc, au, retour, nous aussi, nous devons amener notre, notre pierre à l'édifice pour pouvoir vraiment aider les pays. Et que je crois bien que ce n'est pas seulement aller ça à être embauché dans un emploi du public. Mm. C'est ça qu'on seulement peut rendre des services au pays. On peut aussi créer d'autres opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités et que vraiment c'est maintenant que même ça s'impose puisque maintenant nous sommes à, à la frontière de, plusieurs cultures. Mm-hmm. et que vraiment il faut que nous aussi, que nous puissions nous, affirmer en tant que jeunesse nigérienne et voilà ce que nous avons, voilà ce que nous proposons et voilà ce, que nous voulons qu'on nous accompagne dans cette démarche. D'accord. Alors, quels euh, euh, conseils quel conseil donnerez-vous aux étudiants en agronomie intéressés par l'entrepreneuriat agricole Effectivement. Bon, les premiers, les premiers conseils d'abord que je vais, que je vais insister, c'est la formation. C'est la formation, puisque c'est la formation qui est à la base de tout. Euh, tant qu'on n'est pas, on n'est pas bien formé, hmm. vraiment, on ne peut rien entreprendre. C'est de continuer à être formé, d'être sérieux à la fac, de suivre les cours des enseignants, mais aussi de prendre, euh, de fixer des objectifs puisqu'il ne s'agit pas seulement de venir valider les fascicules et aller dormir. Et après, après avoir acquis les expériences, euh, quels conseils adressez-vous à l'endroit de ces étudiants pour euh, ceux qui désirent bien évidemment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole C'est un domaine promoteur hmm. et dans lequel vraiment on peut gagner, on peut gagner sa vie. Ok. Ça promet et il faut, il faut vraiment venir, il faut s'activer. Merci euh, infiniment, Yatara, d'avoir euh, répondu présent à notre invitation et d'avoir aussi euh, répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. Salut, on prend une petite pause et on revient juste après. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 26 minutes. C'est l'heure de la rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. Et eh oui, on en, parle, on, en parlait tantôt. Au Niger, euh, ces dernières années, les femmes eux, des jeunes embrassent le domaine de l'entrepreneuriat de manière informelle. Madame Boubacar Hawa euh, Moumouni, elle, a abandonné le travail de bureau pour s'impliquer pleinement euh, dans son entreprise. Elle commercialise diverses épices conditionnées. Et selon elle, ça marche bien. On l'écoute, elle est interrogée par Hawa Ousmane. shin ko za ki ba mu kaɗan daga cikin tarihin kasuwancin naki na fara ne an 2015 shekara ta da goma sha biyar. ina wata entreprise private ce na nike aiki to wurin da nike aiki akwai wata nan tana sai da kamar wanga inan sashe na ke na sai nike ce mata ni ma da ina son kamar in rinka kasuwancin ina ambalaj kamar ina sa ka ina yin prodi na na kaina sai take ce mini e in yi ese yana yi insha Allah shikenan ita dai take bani haka dai shawarwari sai nake ce mata yanzu ina so in yi rinka yin kaman yajijjika duk abin da dai shahai kayan girki kayan miya yaji da su tanka su garin tafarnuwa ta bani shawara sai na ce mata oke to zan fara sai na tambaye ta ambalage din da ke gare ta ledodin da ke gare ta sai ta gaya min sai kuma na ce kai ina dai ezite dan ta gida na shawara sai na ce kai fara zan sai na fara sannu sannu sai na ga yana marshe abin yana tahiya daidai sai na fara zuwa alimentation da su da lai supermarket na tayi na musu presentation na musu presentation kayan suka ce gaskiya eh, abu ne mai kyau E, to akwai wannan wurin su sai ce mini yanzu da in nemi bot zai fi farafor ga tun da cikin wanga sashe mutane suna ganin kaman kankantar su kuma suna kaman yi tsada sai na ce mishi oke ba matsala duka dai na yi gaba ɗaya na ce su in musu cikin irin robobi in so su kuma in can da ba su iya ɗaukan cikin manyan kayayyaki sai in musu eh, na fara haka nan sanu sanu cikin sunan ɗaya wurin inda nake kaiwa mhm. sai ce mini kamata yanzu in ta in yi register commerce takardu na kasuwanci kaman kayana za su fi shiga haka nan ba mu shigar sai na ce mishi oke tunda ni ban san inda ake duka da komi da komi shine ya gwada mini ya ba ni contact na ta yi can na je na yi an duka na yi wannan. Shin ina so in ji gidan Bubakar eh, Hawa me ya ja ki kika shiga a cikin harkar ta kasuwanci? Da yake na yi da karatu to entreprise privé ne nake ce muku ta wani tonton ina ne to nan nake ina yi to su kuma kaman irin defuwa wani bi tanto ana samun aiki tantu haka nan kamar ba su samu kwantara sai na gani kamar wani bi ga na ina zamani da fuwa kan a yi salar ma yana ɗaukar lokacin ceto don me yasa ba na samu ba wani sana'ar hannu in fara yi na tanda in ga abin da Allah zai yi cikin iko Allah ko da na fara gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah tunda yanzu haka ga ga da nake ina da ma masu ɗaukan kaya ana kai su hawo shi kamar mali Voilà, chers auditeurs, c'était Hawa Ousmane qui nous a présenté Madame Boubacar Hawa Moumouni. Marquons une petite pause musicale avec notre sélection musicale qui cette fois-ci met le Kalangu et le Goumi à l'honneur. Takay Sena de Feu Abdou Kachekachi. mai kare garan ba mai mai ta na zamane

chers auditeurs, dans ce titre, Takechana, le fait Abdou Kaché Kaché chante les performances de Sénat, la marque d'un camion qui servait dans le temps au transport des personnes et marchandises de Zander à Agadez. a gidan radio ko gidan tele na gwamnati kuna jin daɗi ba dan ku ba da dawa ya kai mu sun masu kamara na birnin nijar gaba ɗaya kun yi aikin kun saba ko shekaran da ya shugaban ƙasa na faransa Retour au studio après cette belle musique pour l'écho des régions. Nous allons faire un tour à birnin dans la région de Tawa. Nous abordons la question du Nadi, c'est-à-dire comment attacher le turban pas de n'importe qui, mais du jeune marié lors de la cérémonie. Oui, mais attention, ce n'est pas tout jeune marié qui a droit à cette expérience. Il faut d'abord jouir euh, de certains privilèges. Et c'est ce qu'explique euh, Al-Haji Moussa, chef euh, des coiffeurs traditionnels à la cour du chef de canton de Birni Koni. Il est au micro de Fanta Chamsou. wanda ya shahi sarauta shine aka faɗa masarki yowa na ango to sai shi kai magana wajen marahon sarki shi aka wankin ɗan sarki gida ne sarki shina ba da riga da wando da tagu. da rawani da hula sai a taicen gidan marahon a yi naɗi to shi naɗi na ana nihin kamar shi angon ya shiga wani matsayi ko kuma menene to shi lalle ya shiga wani matsayi kuma sai ɗan sarki aka washe wanda ya shayi harkar sarauta kenan duk wanda ke ga an naɗa ma rawanin nan na anganci ko naɗin sarauta ana yi mai to shi wannan naɗin ne tarihin shi an samu tarihin shi daga al'adar su su 'yan sarki mm. dan dan talakan talaka ba ai mai wannan naɗi ai mai naɗi yannan naɗi aka gabatar su a kere malamai su yi addu'a yan an kai shi kenan sai a ci gaba da al'adodin gidansu to ya danganta duka sana'ar da akwai ta gidan sarki masu gangun masu nasu mabusa su nasu yannan masu kotso su nasu adad da agare mu nan yannan a kere masu kalangin ne su nasu kiɗi yannan a kere mai goge shi nashi aiki duk abubuwan da aka kiɗa masarki lokaci ko ne ana bashi lokacin da zai zakwa shi jinjina mu wannan ango in akwai kirarin da zai shi mai shi mai kirari ne hakanan na adam wata ke ta wanke ango to wane ne ke yin naɗin to ga ada dai a ce wanda za shi ma sai sarkin aski na sarki shi ka zakwa don shi ke san duk abin da ya shahi kai ya zan shi sarkin aski shi ka kula da shi to shi aka sa shi wannan aiki amma akwai masu naɗi da dama yan an yi amma dai sai an babu sarki a askin to shi sarki ya aski kuma bari in karkata wannan mm. tun daga muliga ga ah. shi sarki aski ne ne matsayin shi a cikin masarauta <laughs> to sarki aski wadda kici haka nan na shi ya zama aski na na sarki mm. shi ke kula da kan sarki mm. kenan matsayi ne ko shi ba sarai ke na hakan ga cikin hada sarkin kwanne shida na nashi talakawa na shi kula da su garuruwa hakan da kuma cikin birni duk wanzami karkashi ne shiki dole sai wanzami ake ba ma sarki aski ko a ta sai wanzami sai wanda ya gadi wanzamci ko ka iya aski kana iya zamanto ka gadi sarauta baka iya sana'a ba amma muhimmancin ta wanda ya gade ta ya iya kuma kowace irin sana'a wadda ta shahi harka wanzamci shi ya dace a ba sarkin aski Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, euh, poursuivons notre, euh, notre émission avec euh, la page sport. notre chroniqueur sportif Gourouza Hassoumi est à la place. Bonjour Gourouza. bonjour eh, Sino, bonjour euh, Bonjour Gourouza. Euh, Très bien. Alors Gourouza, nous débutons euh, cette page sport euh, avec du taekwondo. Noureddin Issa Kagarbadi Tissili est le nouveau champion d'Afrique de taekwondo dans la catégorie senior de moins de 58 kg, Oui, effectivement, Sino, il a 19 ans. Noureddin vient de réaliser son rêve il est le nouveau champion d'Afrique de taekwondo dans sa catégorie. Noureddin Saka Garba, ceinture noire, premier dan, a été repéré par un entraîneur allemand avec qui il s'est entraîné pendant deux ans en Allemagne. Suite à ses performances, le jeune a suspendu ses études en classe de terminale pour se consacrer à sa carrière sportive. Il s'est rendu dans un centre de perfectionnement aux États-Unis d'Amérique dans le but de rehausser son niveau afin d'obtenir sa première qualification olympique. Gourza du foot dans ce page du sport, l'écart de finale de la Cana Côte d'Ivoire 2023 débute aujourd'hui. Salamato, il aura Nigeria face à l'Angola au stade Félix Oufette Boigny d'Abidjan. Euh, sur le papier, les aigles du Mali, euh, les aigles du Mali. <laughs> Ah oui, comme euh, je pense euh, aux aigles du Mali. Les aigles du Nigeria sont favorites, mais les Nigérians doivent faire attention avec euh, les Angolais et qui et qui les surprises depuis le début de cette compétition. Le Nigeria a remporté, c'est un rappel, la Coupe d'Afrique des Nations trois fois en 1980, 1994 et en 2013. Donc, ça veut dire que l'Angola, le Nigeria doit faire attention avec l'Angola. La Guinée-Conakry sera face à la République démocratique du Congo. Également, il aura la Guinée est considérée comme favorite dans ce groupe avec euh, le Congo démocratique, euh, car cette équipe congolaise est arrivée à ce stade dans la compétition sans avoir une seule victoire. Donc, prudence pour le Nigeria. La Côte d'Ivoire sera face au Mali, le Cap Vert croisera le fer avec l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 40 minutes. Voilà, Sali, zoom euh, sur Salahatou Maman, appelé Sarki. Euh, il conduit une pirogue motorisée Dedans, Il transporte euh, les personnes et leurs biens, notamment les jours de marché hebdomadaire comme celui des Namaru, les samedis. Notre euh, reporter euh, Omar Hama est à sa rencontre pour euh, son portrait. salatu mamman kan sigene sarki agogo goro hiyo kambe ngwaroga masin motero gobo ga se boro wode boryo no bara se hiyora kankaga namaro habunga nodin kolo departamara habo womo asiptiga ka na gangwa goyo wode ate sarki se alwati kulheri habei do hare kambo bubo namaro ngande bango kare boro wode ne bore famandi matakan inga nagoyo wo sentinda lalle habu kusi ne kan gayyana halil ko tay bumba masin ya gir ko sabu ay gina maro ay ga bubon ay ga bongo kware o banda dai du goy fo kan mantin da wadin da bawana ke ay gina ko goy tay me ka masin hi goy tay ga bogo kala labugo kirgite kanti kabuga pala o on karar gona kuna sor ka hon kun kan ne fe sor ka man yang bisa nu yanza da sifari ay go habu murade de na lain go sin tin kan kuna bisi giri ay ai bisi wataki zai sin ga musun kan diki ki kan diga ne se ne mu go ngane go go bani hon kun hawo kan faru musun hi go ka de magar dai nan ga zai na hai gonte dalili na ya ma wana al kadar hai kusin kan buwa ga be kan isa be ban te giri zangu zamai ne gin bore garu alhamdulillah mo dokke ba ki go ga ke be go gidiyamu alhamdulillah han fogete fogite gudu han fogete fogite sudu de ban de korbon no kuna za dai irsin tungo kasuwar lokacin gita kan wallahi ba isan so hawa gabu lokacin gite mun gudu isan so noro dan zan kai sarvi mun gudu nu hoy gine hay ma wata dun wana wasi hai kulu rano si jan sendei hunkuna de isan so kya da yongo de janga duwa yongo bidongo isanere kal zambar taki woki goraga dai wato din zambar hinkande zangu taki amma bande wodin dai sarki agoga inga kambe kokaro kulte kanganan amaduga wane bore kaga konda murade ga sandi aya eh, sen so kun da na kan kina to irko ni ma bayirsi da ma watin dubo tun goni noro ni ko station ni ma dai dole hun kun dan ka goro bore kan ko ga samu ne rasi da da dole mu ma dai zaman sun fadi bore wani bore gogo ga eh, san su bido yotu din akwai giba zan bari hin kan da zangu ta ki da zangugu hun kun 25 litre 20 mil ni ga dai mu ka habara watu ho bogo 20 mil ka hannim zan kai kan goni ban sarvi ni bumbo mun ni mai fogisi asite sande wo go bijay san to fi sidilla ni kan ni go litre wo go wati don kunni ba no ngi kadden te economy litre ran kicin dugu man tagin murade tina ba zaman stan kan ba sanda mo no nsudu ko ga de station bido hinka dole ka de ne sine so bore kan du gasa san buka ya dinga sande kulmi kai wo dinga ido kai san so lai go da sande kimi kimi dirka mo irfa man bore sen kuna man tubo kuno tele ka ga kai san so kya da san kulmi ne mutantani yayo bo halka so dir go go je na bon ya da mutkil go go samun Bilali naini amantikala karma borno kanga fura sarki masin hiyora tikulu gaha benga boro a goga sabu a ase gumo ga inda goga goyi kambe ga ker ra. lallai sarki borno kan danan da wara agon da su wallahi gumu gir sambu akon dira hab habedo lallai inda man gu macer dori dira wai dira ba sor falla kade dor re go kun har kan borsu daga amma ma bangan tare walirin bom ce ba se kan agoti sai kan scanner se ba ce falla ayo ke mundiya zamba kilon e kag sambu tamiyan mantir bora kulno bana irsi gano wanal hako amon baigi sala wani yau bumba so falna agon sura almatu masu Allah iro ke mun baigi di masalin da ga mara dego yowo dai sarki agoga hin ginga ba funa tenga ninga wani almayalai bormo no kan batay do hare kambo wati kul igache gadu ka borai dangandi voilà cher Chers auditeurs, à l'instant c'était bien le portrait du jour. Bouclons ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci, il s'agit euh, d'une conversion musicale. Il était rappeur et aujourd'hui un spécialiste du gourmet. Adamoul Moula de Mamansani pour vous. mai jantaka rawa ta zaman lahiya soyayya da lumana lumana da farin ciki adamar muna rawa yan nijar duka jama'an ya salamu alaikum na ce dan ita sallama cikon musulunci take kuna ta na canza da farko farkon yin duniya da Allah ya aiko mala'iku a wajen dan adam magana da sun ka fara yi musa ita ce sallama ta zo tamka Masu sai in ka zo da har ma ka ga isa. Kamu da arziki mai dimbin yawa, ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka mu je filin wasan takadin mulmula. ko malati ya da matan lauci ba su hana mu ba rayuwa cikin soyayya da lumana Chers auditeurs, c'était Moula de Mamansani. Le lotu du jour nous parle de ceux ou celles qui propagent des ragots et fausses rumeurs sur autrui et néfastes. Un sujet que les femmes du studio Kalango abordent avec sérieux dans le lotu d'aujourd'hui. Oui, elles explorent euh, les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rakia Arimi et Aminata Boubakar. On écoute. Loti, Loti, Loti, Simba Murayan. Hey, hey, Alia, gungum. Hey, ifa no go tewo. Ifa sai gungum. Son da hina ne di bismot kira dinaga. Ai siba am di ir. To kalamate, ifo si. Ni kyorono. Ayya, ai bayan waga zakir na Kurana. irsin da kyar labari. Ah, aiwo ka ta cewa ni man mahaika te hannu sinu. Ifo na tasi. Hmm. Ine kan ingino na hannu safar, a sai no hannu sin da ba ni mi. Mhm, mai no kini sai yadin. Ku ga borai no gode gidirgi ci yadin. To kiyai sai, ifo ma ga sai no rahina ga wadin tasi. Hmm. Zam sai rahina wo no rukoni zunomi. A gwanda a rusu hannu yanda a rusu no rukoniya. To rahina bin da ingino ya sa sasi. A sai no akwai ga safar. rahina mono ya talkai zunu a can sedeno akwai gasafa irkoi beri na dira ni bun bosa nowa ni siba bai matukan no abon wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni bai kan arsilam taraira haubor gayan zunubu beri no soko bun boda ba ni ga haya bai ni di moni moni si ba san no bon ai bai ayya bin da haikan ai ma man ti ba san nono wadi ni ine kan duma yi doro no na di dira ma hagoy dinbo wato kul na gine ni sai mafatta wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya dinno amma da kimno don ni sanni fallan kaki yayi si hmm. nadira da kimino ayo gane ni sai kan an dunya wo ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan si bore to ni di masabun da haikan goni sai amma beri ni ga barfo wani masin moka da kimino nadia. wadi ma ga sai ni gine ni wana mu beri ni ga ya jinnu ni gicim hmm, hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chwaga mutuno ni te gu wane mi lai ga to ni di wala matikan ni ni mondu ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai di dama sanu bina ga sara mm, ni gicim to bisa irin mirfan dadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nig tugutugu nig koyga diga sannai woki aman hay kulte irse yadino yadino ayni fahama ichora to irmu koy lati lati lati lati Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Wachar pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot tourisme en français et en tamashek. Bonjour Seno, bonjour Salamatou, bonjour, bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue euh, dans la culture linguistique de notre émission. La saison touristique a débuté le 14 janvier 2024 et peut se poursuivre jusqu'au mois de mars. Donc, nous vous proposons donc les mots tourisme. Le tourisme, c'est le déplacement des personnes de l'air lié des résidences habituelles dans le but de découvrir, de profiter et ensuite retourner chez eux. Prenons un exemple. Où est le centre d'information touristique Le nouvel aéroport facilitera le développement du tourisme dans la zone. Un dernier exemple. La ville réalisera enfin son potentiel touristique. Chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour aujourd'hui. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour un autre mot. Au revoir. Mais en tamashek, avant de vous quitter, دغا أويقلنا توريسم المعنى ني تولل لقوانونا فالسنة سيدي وسنتا سداد نولل fa فدغا madada ado bazangur marawu du koza tili tan janvier na wata wani shingi mutsana tumur wanda koza mara na deglu hartali tamars winda fil dawan duni kal tafar tastan nu turism yani wululug wannunaf wululug wannunaf memos agamad neytidani da gamwena khsaran fow sada giyan filatis diyan made filidagin tunfa istemir nasan arwada aqalana iqawnatan nasan المثال من يدي لا تبوتو تا تحكي تسلان نولي لغنوناف إذاك نغلى لينايا دا غادك يفرا غادي الشيوط تتن دمرنا مدالوين أدي تون المثال انت دا أكل أدي قرو تنفا وين ستاريت نولل قنوناف داونا نا أرت ودا وندوز سخصلا دا اختفرتا نا ولل قنوناف يعني توريسم انت دا دا سينو اتسلامتو Merci beaucoup à la Mina chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en English, Hausa, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ayo ko men sanno kanga kolkoti yande jiya ne ah, ne sai musa ranga hangan na studio kalangu labarai ai hangan gum gum gum wallahi godu bon fe cim cim cim cim gum gum lam labari da bayan kulli gama radio fo ba mayo ne kadai da kalangu fe ngane dubi hanga din dinni hanga mo gama ibobo baka hanfo afo mo iswasi ma pre ga ko gama ga ju fo ka ga e gama ai wallahi wo kan ai e gaba gum gum france ki ne weekend e kan referensa a te labarai ga ba da dato lendi wal mardiyan igin kibo wasu zukan no weekend wani igi samise in mu mu dogo faham da boy kan sama france kina ima te zam san oh, ngi de no yo ga bagum gumu o samel khadiji tu ulit tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewa da program wan kalangu a de shewa asmor yan gafa wannan tidim daga wadde qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanar maranan da iya hasil dara tana gotnen ya gas daga amadal wa daga niger tagad marar di sidar ganan kul sai sawara kanti hulawe ne kana kanin ta hul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abun da nake gani cikin program in kalangu yayi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun niger da labarun waje-waje muna jinsu shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanciyar hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abin da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yarkinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh da ambiance gaida gaidawa ko eh na gaidawa hakan ga kamar ina gaida wa ne ina gaida wa ne wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida

Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Ali Moukaila et moi-même Salamatou Kadri. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine oui, la technique a été assurée tout simplement par Mustafa Ayuba. Adama Dawaki et Raila Soumana étaient à l'édition. Excellente journée à vous, chers auditeurs. Bye bye.